votre générosité à la tête de ce ministère. Le président de la République n'a pas regretté de vous choisir comme ministre des Finances. Monsieur le ministre, je salue la recondition de la ligne pour les cantines scolaires, mais il faut faciliter la mobilisation des financements dédiés aux cantines scolaires. Monsieur le ministre, j'ai vu dans le budget que le budget de l'éducation nationale et assainissement et pas mal d'autres ministères. Ces budgets additionnés sont plus de 40% du budget national. C'est pourquoi, Monsieur le ministre, j'attire votre attention sur les pannes de forage récurrentes dans le département de Linguerre, une zone silvopastorale. Monsieur le ministre, l'eau est indispensable et des fois ça paralyse le système éducatif. Donc, nous devons nous avec le désenclavement du département de Linguerre. Monsieur le ministre, je félicite le directeur général du budget des finances, notre fierté, un homme engagé, un homme discret, fidèle à, votre égard. Je l'appelle le 168e député. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, nous voulons de le remercier de cette disponibilité, nous l'unité, vraiment, c'est la famille. Comme nous les féliciter de le remercier. monsieur le ministre ci say collaborateurs maa ngi nuyu Bambaka notre fierté ki nga xam ne daf may jàppale ci cantine scolaire yi au niveau du département de Linguère monsieur Doudou Mboub je salue en même temps l'ex-directeur des douanes di yóbbante ci moom ci xooltum liggéey bi nga xam ne dafa nekk fii au Sénégal par rapport ak l'économie de Sénégal le directeur général Amadou Birahim Gueye en même temps je le salue monsieur le ministre dañu lay ñaanalaat yàlla defal la ndam ci liggéey bi nga xam ne son excellence le président de la république daf la ko dénk ñu gis nag liggéey bi ngay liggéey waaye nag bala maa danaa leen wan na leen ne lii ma sol tey ki nga xam ne mooy sëriñ Abdou Bara Mbacke dolli moo ko ñëw ba rafet na ma damaa bëgg nga sol ko bu ubbee bu fermeture bi jotee ci budget bi moo tax ma di leen ko won kon Mbacke Balla ñoo ngi ñaan di sàkku ñaan ci sa barke maam Sénégal gi jàmm sax fi ci barke Seydina Mouhamed yàlla yombalal ñu lépp kon ñoo ngi nii ñëpp di saluer ñëpp di baalu ñëpp ak ñu toogaat fi incha allah ci yeneen année ci barke Seydina Mohamed merci beaucoup. merci cher